le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum studios Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Situation scolaire au Niger, comment sauver l'année scolaire 2019 2020 après le Covid-19. La fermeture des établissements scolaires depuis le 20 mars dernier fait partie des mesures prises par le gouvernement nigérien pour prévenir et éviter la propagation de la maladie du Covid-19 au Niger. À l'issue du Conseil des ministres du 30 avril dernier, le gouvernement nigérien a annoncé la possibilité de la réouverture des écoles et des lieux de culte du de manière progressive à partir du 1er juin si la tendance à la baisse de la pandémie du Covid-19 se maintient. Avec euh, nos invités, nous allons voir ou comprendre l'impact de la fermeture des écoles, la nécessité et les possibilités de sauver l'année académique 2019-2020 euh, après le Covid-19 au Niger. Pour ce faire, nous avons dans ce studio à Issoufou Arzika, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger e et coordonnateur euh, de la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation au Niger, fusen Issoufou Arzika. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mokhtar et Abdou Maman Lokoko, coordonnateur du réseau des organisations du secteur éducatif euh, du Niger, euh, Rosen. Abdou Maman Lokoko, euh, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Nous avons également envoyé une correspondance au ministère des Enseignements secondaires, mais aucun représentant n'a à ce jour pris part à ce forum. Au microphone, Mokhtar Hamadou. L'âge Abdelmaman Lokoko, euh, quelle appréciation peut-on faire aujourd'hui de la situation de l'école nigérienne après plusieurs semaines de fermeture Il faut se dire euh, que l'éducation d'abord, c'est un monde sans frontières. Rien ne doit empêcher ou arrêter l'éducation. Bon, le Covid est arrivé, il faut faire avec. L'appréciation, c'est que c'est triste aujourd'hui de constater que les élèves ne vont pas à l'école, les enseignants sont chez eux, puisqu'il y a des mesures barrières. Le gouvernement, de temps en temps, bon, il fait des réflexions. Et il a même fixé une date pour euh, reprendre. Autrement, si la, la pandémie baisse, au 1er juin. Mais d'une manière générale, c'est que nous, en tant que défenseurs des droits à l'éducation, nous sommes euh, tristes d'assister à cette période que nous n'avons jamais imaginée, même dans le rêve, puisque l'éducation étant un droit, il va de soi qu'il faut mettre tous les mois nécessaires pour y parvenir. Mais avec le Covid-19, c'est autre chose. C'est pour ça que j'exprime euh, notre euh, profonde inquiétude par rapport surtout à cette année. Parce que imaginez si on doit reprendre au 1er juin, avec ce temps ou ce flottement qu'il y a eu, comment faire sans vous couper, l'âge Abdou Maman Lokoko, est-ce que euh, l'année académique 2019-2020 peut être sauvée notre conviction, et nous avons dit déjà au ministère que, en tout cas, nous ne voulons pas d'une année blanche. Nous avons été clairs. Cela veut dire que nous sommes pour le sauvetage de l'année vaille que vaille. Maintenant, est-ce qu'on peut tout sauver C'est peut-être là la première inconnue. Est-ce qu'on peut tout sauver C'est-à-dire sauver y compris les classes sans examen et les examens. Ou bien nous allons euh, un sauvetage partiel, c'est-à-dire que sauver les classes d'examen pour lesquels on est peut-être plus obligé à faire ces examens-là, et maintenant voir quelle est la situation des classes sans Mais en tout cas, nous, nous sommes pour un sauvetage vraiment de cette année. Donc, pas d'année blanche. Notre, la position du Rosen est claire. Il, ne faut pas qu'il y ait encore une autre année. Parce qu'une année blanche, c'est un retour en arrière pour 20 ans. C'est une régression c'est une négation même. Et, si euh, les écoles restent toujours fermées au-delà du 1er juin, la date euh, probable euh, de réouverture indiquée par le gouvernement Vous n'êtes pas sans savoir que le, ministère notamment le ministère des enseignements secondaires, a fait quand même un certain nombre de propositions avec trois scénarios. Je pense que jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas épuisé les trois scénarios. Quels sont ces, ces scénarios Le scénario, c'est qu'à l'époque, on pensait que la pandémie n'allait pas durer. Donc on pouvait reprendre rapidement, comme si de, rien n'était. Maintenant, aider les enseignants, satisfaire les revendications des syndicats et peut-être même leur trouver un peu de quoi, euh, bon, des primes, peut-être. Des motivations. Des motivations, etc., etc. Donc, on va rapidement, à cette date en, en, en mai, on aurait fini avec tout et puis on fait les examens normalement. Le deuxième scénario, c'est que la pandémie perdure mais quand même, elle ne peut pas affecter tellement l'année en tant que telle. On reprend quand même pour maintenant arrêter, peut-être aller jusqu'en août, je crois. Je parle sous le contrôle de Azeka parce qu'on était ensemble quand le, document a été présenté. Maintenant, au cas où on n'arrivait pas, comme c'est la situation aujourd'hui, à circonscrire les choses, eh bien, il faut aller jusqu'en 2021, enfin faire la rentrée 2021 en euh, janvier ou bien pourquoi pas en février. Donc voilà en fait les trois scénarios, mais je pense qu'on est toujours dans le, <laughs> le, deuxième scénario. On n'a pas épuisé ça. Si on doit reprendre jusqu'au 1er euh, au 1 juin, cela veut dire qu'on est dans le deuxième scénario et on peut aller maintenant travailler pour que la rentrée, euh, pour qu'on puisse faire les examens peut-être autour du mois d'août et maintenant valider l'année pour les classes sans examen. Parce qu'on on ne peut rien faire. Il y a des zones où, même si vous voulez travailler, ce n'est pas possible. Les, les infrastructures sont rudimentaires. Elles ne peuvent pas résister aux intempéries, donc euh, l'hivernage, etc., Donc, à partir de ce moment, nous pensons que jusqu'à présent, on est dans le deuxième scénario si on reprend en, juin. Maintenant, au cas contraire, là, c'est vraiment, comme je, je l'ai dit, un peu le désespoir. Puisque si on projette l'année jusqu'à la rentrée 2020-2021, si on l'a fait en janvier ou en février, vous voyez bien que l'année 2021 sera amputée de combien 5 mois Puisque là, nous, octobre, on échappe, ainsi de Donc, ça, il va rester seulement 3 à 4 mois. Est-ce qu'une année de 4 mois est vraiment valable Je pense que tout ça, là, ça nous amène à dire quel est l'avenir de notre système et comment maintenant prendre les garde-fous pour que Bon, qu'on mette tous les machins sur la table, toutes les propositions, et y compris même euh, celles que nous ne voulons pas. Mais en tout cas, nous pensons que jusqu'à présent. Ce que vous ne voulez pas, c'est quoi C'est l'année blanche. Et ça, vraiment, on n'en veut pas. En tout cas, pour nous, franchement, il faut tout faire pour éviter l'année blanche. Et Arzika, quelle est votre appréciation au sujet de la fermeture des établissements scolaires pour cause du Covid-19 au Niger Merci, bonjour Mokhtar. Merci vraiment de nous donner l'occasion de discuter d'un sujet qui aujourd'hui nous nous empêche même de dormir avec nos partenaires à l'international. C'est tout le temps des visioconférences, tout le temps. Surtout maintenant qu'on n'a pas besoin de payer les billets d'avion. C'est tous les jours des visioconférences, tous les consultations sur les pays pour aller vers une solidarité internationale autour de l'éducation pour voir comment sauver l'année. L'appréciation du système éducatif que j'ai ne peut être que similaire à celle du, grand frère de Lokoko. C'est triste, on a vraiment un sérieux pincement au cœur de constater que tout l'investissement humain, financier, matériel qui avait été fait pour arriver à un certain niveau euh, d'exécution de la fête de route annuelle, c'est chaque, chaque année, une sorte de fête de route que nous soyons arrivés à un aléa qui a été plus fort que n'importe qui. C'est vrai, cette question, et ce Covid est, cause des problèmes, mais aussi, à mon, à mon avis, il a créé des opportunités, même si elles sont noires, mais c'est quand même des opportunités pour que et, le gouvernement réfléchisse, y compris tous les acteurs, sur la question de la résilience des systèmes éducatifs. Déjà, dans d'autres domaines, oui, sur d'autres plateformes, on a réfléchi sur comment pouvoir faire en sorte qu'un système éducatif reste résilient même en temps de crise de, conflictuelle, même pas les maladies, juste les crises. Et il y a eu des, limites lignes directrices jusqu'à 6 qui ont été adoptées par les États au niveau de Solo pour dire que même si on doit occuper un établissement, entre autres, en temps de guerre, il faut que ce soit en un temps limité et que les militaires, même pour défendre en tout cas, la communauté ne doit pas s'installer définitivement dans un établissement scolaire pour que les enfants puissent continuer. La sécurisation, en fait, c'est six lignes qui ont été projetées pour un système éducatif puisse continuer à fonctionner et assurer le droit de l'éducation des enfants. Mais bon, voyez-vous, on n'a pas prévu justement le cas de. Je crois qu'il faut le voir. Il faut revoir. Selon euh, Donc, donc, selon vous, Issoufourdika, la maladie, l'ampleur de la maladie du Covid-19 est une surprise pour vous En tout cas, personne ne sait. Même les États puissants, dit puissants, on dit qu'eux-mêmes ne se sont pas préparés à cette. Pas plus forte raison, nous, en termes de, système de santé, on sait que c'est un système de santé boité, tout comme celui de l'éducation. Nous sommes arrivés à une situation où il faut réfléchir pour sauver l'année. Au début, on ne voulait même pas parler de l'expression sauver l'année. Les politiques n'avaient pas, parce que pour lui, c'est clair qu'il faut y aller. Vous savez, c'est des aléas qui sont là. Et il faut rappeler qu'avant le Covid, euh, le Niger vit déjà un autre problème dû à l'insécurité. Par exemple, le problème le plus récent, c'est celui de Tel où plus de 26 000 élèves ne partaient pas à l'école. Et on était en train d'envisager la création de centres de santé sécurisés en collaboration avec l'armée pour que ces enfants-là puissent continuer. Quand le Covid est venu, je crois que le Niger, a, ici, on, en ce qu'on les autorités, ils doivent réfléchir sur deux aspects. Oui, mais le Covid, même si ça s'en va, il y a l'insécurité. au niveau de la rue de la des enfants qui n'ont pas étudié pendant. Qu'est-ce qu'il faut faire Et même à Difa. Et oui, j'ai dit récent. Difa, maintenant, c'est des années. Il faut y réfléchir. Donc, apparemment, on n'est plus cantonné à réfléchir sur l'après-Covid. On oublie que des milliers d'enfants, on, presque, beaucoup ont décroché. Hein. Beaucoup ont décroché. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour eux Maintenant, quand on sauvetage de l'année, même la reprise de, du système éducatif, de l'éducation en juin, je, me dis qu'il y a d'autres aléas qui sont là. C'est l'hivernage. Il s'est installé. Nous avons plus de la moitié de nos infrastructures, surtout aux primaires, qui sont à moitié. Les classes Et avec euh, ça, c'est un des aléas euh, très handicapants. Mais l'autre aléa, c'est justement la recherche de la pitance pour les parents. Dès que la pluie tombe, les parents prennent leur enfants pour aller les utiliser de les champs et trouver de quoi manger l'année prochaine et retourner à l'école comme les enfants des autres. Mais c'est un coup dur pour le Maintenant, tous les scénarios proposés par le MES, nous nous, sommes dit qu'on doit continuer à réfléchir et à faire rebondir ces scénarios-là chaque fois qu'ils deviennent cadets. Parce que le premier scénario, comme l'a dit le grand frère, il est tombé. Nous sommes dans le deuxième. Maintenant, si on reprend en juin, moi, je, je me dis qu'il faut qu'on mette les enseignants dans les conditions d'un travail marathon on les met dans le compte. Déjà, ils ne sont pas d'abord normalisés. Parce qu'il ne s'agit pas de donner des primes spéciales. Non, non, c'est de normaliser la situation des enseignants. Normaliser, vous voulez dire comment Au fait, il y a les salaires qui ne se payent pas à Il y a la carrière de l'enseignant qui est bloquée depuis 2016 pour l'avancement au choix, pour beaucoup. Beaucoup sont en train de décéder. Ils ne sont pas entrés dans leur Ils sont en train d'aller à la retraite. Ils ont des avancements colossaux qui ne sont pas intégrés dans le salaire. Des actes administratifs qui sortent. En fait, tout le monde évolue sauf l'enseignant. Depuis 2016, l'enseignant n'évolue pas dans sa carrière. Depuis 2014, aucun enseignant n'est recruté à la fonction publique. Mais bon Dieu, dans cet état, les salaires qui ne sont pas payés pour 80% des enseignants à la fin du mois. Mais on est dans un état et aussi de psychose avant le Covid. Mais je vais vous dire, est-ce que vous savez que les, petites indemnités qui, grossissent sur le salaire sont coupées chaque jour Direction, zone désertique. On les coupe pour faire de l'économie ailleurs. On vous dit, faites le dossier, vous les faites, vous ramenez c'est sans suite. Mais nos camarades nous demandent pourquoi on leur coupe leur indemnité alors qu'ils ne sont même pas en train d'avancer, alors que quand ils ont euh, un reclassement Ou ce n'est pas intégré dans le salaire, pourquoi on continue à couper Voilà ce que nous sommes en train de dire. L'État normalise, au moins il revient au stade zéro pour les enseignants comme tous les autres fonctionnaires. Maintenant, s'il y a des primes spéciales, il faut les prévoir pour que les enseignants puissent se donner parce qu'ils sont capables de les faire. Et l'État sait que l'enseignant, quand il s'agit de sa classe, c'est une affaire personnelle. Issouf euh, selon vous, quel est l'impact de la fermeture des écoles pour les élèves et pour même euh, leurs enseignants Mais il y, a cette déperdition de temps scolaire. Ça, c'est clair. C'est la première des choses. Or, l'école, c'est le temps scolaire. Tout se superpose au temps. Il n'y a pas de temps scolaire pour les activités d'apprentissage et, enseignement-apprentissage. Il n'y a pas d'école. Or, on a prévu eh, des enseignements eh, à distance. Hier seulement, j'étais sur un webinaire on nous a demandé à l'avance d'envoyer des témoignages par rapport à l'enseignement en ligne. Le n'a pas commencé. On a beaucoup parlé. Actuellement, au MES, ils sont en train de concevoir. Au primaire, nous ne savons pas. Pourquoi Parce qu'il y a une difficulté qu'on leur a brandie dès le début, ils ont voulu l'ignorer. Ce n'est pas possible à l'heure actuelle de faire l'enseignement en ligne, mais c'est bon de l'expérimenter à titre facultatif, sans l'imposer ni à l'enseignant, ni à, et aux élèves, parce que ça fera partie des mesures à envisager pour rendre notre système éducatif résilient. Mais la ça serait pas discriminatoire, euh, monsieur Mais c'est discriminatoire, c'est pourquoi on a dit facultatif. Parce que, écoutez, vous pouvez aller chercher un livre en ligne. Il n'est pas interdit aux, élèves de le faire. C'est pas parce que les autres n'ont pas de téléphone pour le faire qu'on va dire aux élèves de ne pas le faire. Donc, je crois que si les, les, les ministères peuvent expérimenter, à titre facultatif, l'enseignement en ligne, au cas où le Niger va se développer et trouver comme les autres pays l'Internet partout la radio partout, la disponibilité des, partout. téléphones, des tablettes. Oui, on dira que ah, ça fait des années que nous, nous avions commencé à expérimenter, comme la télévision scolaire, qui a fait des grands hommes aujourd'hui. On l'avait expérimenté. Moi, je crois que si c'est dans ce cadre-là, c'est bien. Mais si c'est pour valider l'année à partir des cours à ligne, en tout cas, nous, en tant que structure syndicale, on va s'opposer énergiquement à ça. Maintenant, quel est le sort de l'année Comme vous l'avez posé la question, nous, nous sommes pour le sauvetage de l'année c'est clair. Mais euh, il y a une petite nuance dans ma position par rapport à celle du grand frère. C'est qu'il ne faut pas sauver l'année. Dire qu'on va sauver l'année coûte que coûte. Parce que coûte que coûte, ça veut dire que même si c'est au détriment de la qualité. Et j'ai senti l'élan des ministères, parce que pour un, dans tous les scénarios, il est écarté la question de l'année. Au moins, le grand frère dit que si ça s'impose, on va, on va s'y faire obligatoirement. Mais en ce qui nous concerne, nous, nous pensons que l'objectif d'un système éducatif, c'est vraiment les résultats, des acquis scolaires, la qualité de l'homme qu'on a formé. Il ne faut pas faire pour faire. Alors, si on fait un trajet et qu'on constate qu'on n'est pas arrivé à destination, ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas parti vers la direction. On a essayé de consommer du carburant en faisant des zigzags. Et pour le gouvernement, c'est de montrer qu'on a fait la distance. On s'en fout de la destination. Et nous, nous sommes contre ça au niveau du syndicat. On va se battre pour la qualité. S'il faut sacrifier, une année, si ça s'impose, hein, ça c'est un dernier ressort. Au pire des cas, s'il faut sacrifier cette année-là à l'hôtel de la qualité, nous sommes pour. Mais s'il faut sacrifier la qualité à l'hôtel d'une volonté politique qui ne dit pas son nom, en tout cas au syndicat, nous sommes contre. Mais nous n'arrêtons personne et nous allons mettre des nôtres pour qu'on puisse trouver une solution et sauver l'année. Même si ça doit chevaucher l'année prochaine, moi je crois qu'on l'a fait chevaucher quitte à ce que l'année prochaine puisse, elle aussi, grignoter dans euh, l'année sur prochaine, de manière que, de manière que les enseignants euh, puissent se sentir à ce moment-là mis au centre du combat. Elage Abdou Maman Lokoko, en tant que partenaire de l'école nigérienne, quel regard portez-vous aujourd'hui euh, sur les difficultés des élèves et des enseignants euh, en fait, par rapport euh, aux, difficultés, il faut quand même dire que notre système n'était pas sorti réellement des sentiers bâtis avant l'arrivée du Covid. Il y avait des problèmes, des problèmes liés euh, à la qualité surtout, et surtout par rapport aux enseignants. Je prends un cas très précis. Je pense que l'enseignant doit être le moteur décisionnel dans un système, même si ce n'est pas éducatif, a fortiori éducatif. Parce que vous savez que l'enseignant, c'est un tout, c'est vraiment le moteur. Or, le constat, c'est que ces dernières années, les enseignants ont été maltraités. Moi, je suis un enseignant. Et, partenaire aussi de l'école. Depuis 1979, donc euh, j'enseignais. Alors j'ai vécu pas mal d'expériences, pas mal de régimes, mais je vous dis franchement, euh, souvent il m'est arrivé de, dire je ne regrette pas d'être enseignant, mais quand même je regrette la situation qui prévaut au stade actuel, où la plupart des gens qui sont vraiment des gens euh, qui sont au pouvoir, quand même, euh, ils, reconnaissent euh, l'importance de l'éducation. Peut-être un, dirigeant qui, qui, ne connaît pas l'importance qui est arrivé par euh, euh, une advertence, comme ça, un accident. Ça, arrive qu'on soit un dirigeant par accident. Mais quelqu'un qui reconnaît l'importance de l'éducation et qui, par-dessus tout, se met massacrer le système éducatif, c'est-à-dire qu'en commençant par les enseignants, d'abord, euh, euh le dévalorise. Moi, j'ai fait un, comment dirais-je, un congrès sur la valorisation du système éducatif. Donc, l'enseignant, à un moment, n'était plus valorisé. Il était même dévalorisé, de façon que... Je vous donne un cas quand il y a eu l'évaluation, c'est vrai que nous avons participé, mais... Il y a eu des, évaluations. La première évaluation, nous avons niveau au niveau primaire. Mais en fait, on nous avait dit qu'on ne chassait personne. C'était de voir le niveau, parce que nous-mêmes, on a fait des études, on a conclu que la qualité là, du système éducatif était de 0, et quelques pourcents. Alors, le gouvernement a dit, c'est très bien, nous aussi, on est tombé dans le même machin parce que tous les bilans des programmes intérieur ou extérieur, dites qu'il n'y a pas de qualité. On va faire donc cette évaluation. On a accompagné le processus parce que pour nous, on ne va chasser personne. Personne, c'est ça qu'on nous a dit. Et vous avez vu les hommes, plus de 10 000 enseignants qui ont perdu leur poste. Parmi eux, il y a des meilleurs. Il ne suffit pas d'avoir un, diplôme hein, pour être le meilleur enseignant. Moi, je, vous, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'enseignais, j'étais directeur d'un moniteur. C'est-à-dire qu'entre lui et moi, il y a au moins euh, euh, trois ou quatre, euh, quatre diplômes. J'étais instituteur. Mais je vous assure, les jours où j'étais absent, il a pris la classe. Le lendemain, j'étais arrivé, il voulait arrêter. J'ai dit non, vas-y, vas-y. Mais j'ai compris qu'il enseignait mieux que moi. Pourtant, il y avait trois diplômes entre, entre lui et moi. J'ai compris qu'il enseignait plus que moi parce que la méthode que j'enseignais, qui était une méthode que j'ai apprise, enfin, qu'on m'a fait apprendre à, l'école normale. Donc, je, je me suis dit que je fatiguais les enfants. À travers Alors qu'ils faisaient le résumé avec les élèves. Hein. Ils voulaient arrêter. J'ai dit non, non, continue. Et cette méthode-là, je l'ai apprise auprès de ce monsieur-là, qui, qui, qui, était inférieur au machin. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne suffit pas d'avoir de bons diplômes pour être un bon enseignant. Ensuite, c'est que ce qui est arrivé, parce que c'est une évaluation, ces jeunes-là, certains peuvent être pris par des tracts. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'extirper ou bien qu'ils sont à malaise. Mais ils sont contraints de venir, ils viennent. Donc c'est pour vous dire que les 10 000 là qu'on a chassés, je ne suis pas si sûr que tous sont mauvais. Et même si c'est ça, puisqu'on est parti du principe qu'on ne va pas chasser, quand même on doit prendre son mal en patience pour dire que ce, qui est dit est dit comme euh, le, le, disait le chanteur. Donc dans ces conditions, moi je pense que franchement, c'est cette façon dont les enseignants ont, fait, ont été l'objet. Et aujourd'hui, je me dis que si moi, je peut-être... Euh, je, je, suis sur, sur les bancs, ma réaction serait autre. Même si je suis en dehors d'un syndicat, même si c'est à, seul, quand même j'allais me battre pour que cette profession là soit révalorisée. Je pense qu'on a dévalorisé les enseignants et ça, ce n'est pas bon dans un pays et ce n'est pas bien pour le système. Parce que, vous savez, l'enseignement, quoi que les gens pensent que c'est le métier le plus facile à embrasser, non, c'est le métier le plus difficile c'est le métier le plus difficile de la vie. Parce que apprendre à quelqu'un là, ce n'est pas facile. Apprendre à quelqu'un, ce n'est pas. Donc c'est pour vous dire que franchement, je, je, je n'étais pas du tout dans ma peau. Et, ce qui est arrivé, mais surtout c'est que on a comme l'impression qu'on ne tire pas les leçons. On ne tire pas les leçons. On me dit qu'aujourd'hui, je il y a des enseignants qui, ça fait combien d'années, ils sont leur matricule, ils ne sont pas mis en solde. Ils n'ont ni les pécules et ils ne sont pas mis en ça. Ça veut dire quoi ils vont, ils vont manger quoi Donc vraiment, je pense qu'il va falloir qu'on mette un peu plus du sérieux sur l'enseignant pour que l'éducation, telle que nous la voulons, vraiment bien, de qualité pour nos enfants, commence d'abord par le traitement, le bon traitement que nous allons faire à l'égard des enseignants. Youssouf quelle quelles solutions préconisez-vous aujourd'hui pour les écoles des différentes zones d'insécurité après Covid Vous l'avez euh, commencé à lui rappeler. en effet, et moi je crois que les réflexions qui avaient commencé avant l'arrivée du Covid pour faire que ces enfants-là aient, la jouissance de leur droit à l'éducation, ces réflexions-là doivent continuer. Et je ne sais pas si elles étaient terminées parce qu'il y, a un certain défaut. Et dans peu de temps, j'aurai une autre vidéoconférence à l'international. C'est une, une, enquête dans le cadre de l'élaboration du rapport des Nations Unies. On a été retenu pour être participant. Et, au fait, euh, il ils voulaient en réalité se renseigner sur ce qui est en train d'être fait pour les acteurs centraux de l'éducation pendant cette pandémie-là. Alors même pendant l'insécurité, ce qu'il y a en réalité et sur lequel il faut peser davantage, c'est justement l'enseignant. Malheureusement, si j'ai dit, le rapport va porter sur au fait, la participation, l'implication des enseignants dans les réflexions pour sauver le système éducatif. Or, ici, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est vrai, on consulte au niveau du MES, mais je vous dis que c'est insuffisant. Au, niveau primaire, on, parle de regroupement euh, des pour pour, les, écoles, c'était pour les enseignements primaires, en cas d'insécurité, c'est justement cette affaire de, regroupement. Mais je vous dis, nous ne sommes pas dans ces réflexions-là. Mais nous avons appris justement de la bouche des, des hautes autorités qu'ils sont en train de réfléchir pour faire des regroupements au niveau des zones d'insécurité avec, parce que là, la solution, elle est militaire. On ne l'avait pas, mais elle est militaire. La seule façon de pouvoir faire que ces enfants puissent continuer il faut que l'armée puisse sécuriser le centre de recoupement. Et le social aussi, parce qu'il faut que les parents, les parents d'accueillir, alimentaire. Ah oui, d'accueillir les enfants des autres qui vont, qui vont venir. Alors, euh, ce que, ce que nous nous recommandons, c'est de continuer ces et de les sortir du tiroir au même titre que celles qui sont en train d'être faites pendant ce Donc, vous voulez dire que vous n'êtes pas associé dans, le cadre de la prise euh, de, toutes ces décisions-là Non, les décisions au niveau, par rapport à la question de l'insécurité, non. Mais écoute, on m'a posé une question au webinaire d'Aventure pour savoir si, est-ce que euh, les anciens sont impliqués Enfin, on l'a posé à tout le monde. Est-ce que les anciens sont impliqués dans les décisions d'ouverture, de, fermeture et de, de réouverture des, établissements ah, Évidemment, non on ne l'est pas. Mais au niveau du MES, vraiment, moi, j'ai salué leur, démarche. Leur démarche. Oui, oui. On, nous appelle, ils exposent les réflexions qu'ils ont faites. C'est vrai, on ne fait pas partie des comités de réflexion, donc c'est consultatif. C'est différent d'un processus participatif. Vous le désirez aussi Participer aux réflexions Oui, nous, on nous consulte après les réflexions et nous donnons nos avis. Maintenant, ils retournent avec les avis parce que c'est une consultation, c'est pas, ça, on ne tire pas une synthèse. Mais c'est déjà mieux que de continuer à gérer dans le silence. Aujourd'hui, la perte des temps scolaire, même si on revient après le Covid et qu'on arrive à créer les centres scolaires, je prends le cas du primaire. Vous savez que primaire, cette année-là, c'est bien ce qu'on a essayé de faire. Euh, c'était un programme qu'on a envisagé, mais on a dit bon, les trois premiers mois, c'est une mise à niveau pour tous les niveaux, c'est-à-dire du CI au CMD. Mais pendant ces trois mois-là, il y a des enseignants qui ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas la maîtrise justement du contenu des mises à niveau. Il y en a qui ne savent même pas après la mise à niveau qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais quand même, les enseignants eh, ont essayé, ils se sont débrouillés dans les classes pour que pendant les trois mois-là, ils puissent donner à leurs élèves un niveau qui les amène à même d'affronter le programme rénové. Vous en avez entendu parler, vous nous avez appelé si on a fait le débat sur le programme rénové. Mais après les trois mois, quand il s'était agi de mettre en œuvre le programme rénové, la question était où Les anciens n'ont pas été formés. Ils ne sont pas outillés pour mettre en œuvre le programme rénové. Ce qui veut qu'avant que le Covid arrive déjà, en il réalité, il y avait une situation grave. Parce que les enseignants ne savent même pas comment aborder le nouveau programme. On était en train de tâtonner quand le Covid et arrivé et on a fermé les écoles. au même niveau de l'enseignement primaire, il y a des, types d'enseignement où, depuis le début de l'année octobre jusqu'à l'arrivée du Covid, ils ne savent pas quoi enseigner. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de manuel. Dans cette situation-là où déjà on a perdu beaucoup de temps, que le Covid s'en aille et que aussi la, la sécurité revienne ou que les centres de recours puissent être implémentés, la grosse question qu'il y a, est-ce que l'enseignant Tel qu'on l'a considéré sur le terrain, dans son image sociale, dans ses conditions matérielles, est-ce que l'enseignant est mis à même de pouvoir se sacrifier pour donner les meilleurs, sinon plus que ce qu'il a à l'intérieur de lui pour faire que le système soit sauvé La question reste là. La personne centrale, le moteur central de l'éducation, le moteur d'un système éducatif reste l'enseignant. Au fait, malheureusement, on a l'impression qu'il y a un véhicule qui est très sollicité, très sollicité, mais le moteur est négligé. On ne met pas de l'huile, on ne met pas le carburant ici. Et on veut que ça roule. Alors quand ça roule pas, qu'est-ce que le politique fait Il pousse. Alors, SG euh, Issoufou Arzika, maintenant, quels sont les chantiers sur lesquels le SINEN et la FUSEN attendent le plus le gouvernement nigérien et nous, nous, sommes sur le chantier de la réforme. Vous savez, il y avait un bon bout de temps où, euh, à un débat sur une télé de la place, on avait parlé d'un plan d'urgence. Nous, c'était l'expression qu'on a utilisée. Plan d'urgence. Et nous avons dit plan d'urgence parce que le système éducatif est presque à alité. Il est malade. Il faut bien un plan d'urgence pour le sortir qui ne tient pas compte de ces programmes routiniers, du PCF, de tout ce qui se suit, des méthodes, des approches euh, APS, APC, on ne sait même plus ce qu'on fait. Il faut un programme d'urgence qui tienne compte de l'essentiel pour que la vague d'élèves qui est là puisse avoir un niveau assez moyen vous savez, l'information la plus mauvaise, enfin pour un système éducatif, c'est que le système éducatif n'est pas efficient et il n'est pas efficace. Savez-vous que dans la sous-région, le Niger investit plus que tous les autres pays dans le système éducatif, mais qu'il est le dernier en termes de, résultats Et de qualité aussi Oui en termes de résultats, nous investissons plus que le Burkina, plus que le Togo, plus que, plus que. Mais quand on fait l'évaluation du, du résultat, le résultat, nous sommes derniers. Mais c'est un sérieux problème de gouvernance. Est-ce que l'argent est bien utilisé pour que le système éducatif marche On se permet de mépriser l'enseignant alors que vous êtes les plus médiocres de la sous-région. On se permet de dire que non, c'est l'enseignant. Et vous avez mis tous les bâtons. Vous avez mis l'enseignant dans un, dans, un état d'esprit infernal. alors, où, va tout cet argent injecté selon vous Mais qui sait Est-ce que c'est pas c'est mal utilisé C'est détourné, c'est mal utilisé parce que le résultat est là. Nous reconnaissons et l'État reconnaît, et les partenaires reconnaissent que le Niger investit plus que ses, voisins. Mais il est le dernier en termes de résultats. Mais c'est une question qu'il faut revoir. Il ne faut pas toujours dire que c'est l'enseignant. Non, le problème du système éducatif, c'est les politiques. Ils ne savent pas gérer. Je vais conclure avec la question de l'évaluation. Mes grands frères, locaux, en réalité, il y a eu beaucoup d'enseignants du primaire avec un très bon niveau. D'ailleurs, éloquent même quand ils s'adressent à vous. Nous, on en a réussi. Il y en a qui ont pleuré. Il y en a des qui ont ouvert la bouche. Vous avez échoué à l'évangile. Ils disent oui. Mais il y a eu des très bons enseignants qui sont partis. Il y en a des très mauvais qui étaient restés. En réalité, lorsque vous avez un volume d'enseignants, ne dites pas que vous, si ce n'est pas pour décongestionner. Si l'objectif était de décongestionner, il fallait le dire et faire le nécessaire pour détecter la mauvaise graine et la faire partir dans le cadre réglementaire. Mais, comment le faire sans pour autant faire l'évaluation Oui, mais ce n'est pas ce type d'évaluation. Parce qu'on recrute selon la loi. L'État existe parce qu'il y a une loi. Il n'y a pas de loi. Chacun va faire ce qu'il veut. Et ce n'est pas évident que ceux qui dirigent aujourd'hui, ou ceux qui ont dirigé hier, ou ceux qui vont diriger demain, que ce qui vont diriger. Parce que là, c'est une jungle. Donc, s'il y a une loi qui fait qu'un État existe et que existe, institutions existent, il faut que ceux qui animent les institutions respectent aussi les lois dans, dans toute sa rigueur. Malheureusement, quand il s'était agi de brimer les enseignants, on a mis la loi de côté. On a mis tous les textes réglementaires de côté. On a rêvé, on a peut-être eu un cauchemar, on l'a mis en œuvre le lendemain, et l'enseignant en a fait les frais. Le système éducatif en a fait les frais. Il y a eu des classes, quand les 10 milliers d'enseignants sont partis, il y a eu des classes sans enseignants. On a commencé à faire des regroupements qui n'a pas marché jusqu'ici parce que je vous dis à cette date, il y a des, classes sans enseignants qu'on a jumelées, ce qui donne le résultat mauvais où on a un enseignant avec une classe qui va de 60 à, à élèves. S'il vous plaît, l'évaluation a servi à quoi Elle a créé une hécatombe social et le système éducatif n'a rien tiré de cette évaluation. Donc il faut revoir le la gouvernance, il faut revoir le pilotage, il faut revoir le programme. On est en train de le revoir. Maintenant, il faut mettre l'enseignant dans, cette, dans ce cadre de sauvetage de l'année. Il faut mettre l'enseignant au centre du combat parce que c'est un combat. Vous avez vu, c'est comme cette affaire de réforme du CFEPD. Les gens ont dit non, ça coûte cher, il ne faut pas. Pourquoi Parce que quand on envoie l'argent, il y a certains qui détournent ou bien on sait. Mais comment on peut être dans un pays là où l'argent est rare Parce que l'argent, c'est chez nous que l'argent est le nerf de la guerre. Hein. Ailleurs, les gens, ils s'en foutent. Mais chez nous, là, l'argent, c'est l'argent. L'argent est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez pas injecter l'argent et puis sans savoir où est-ce que ça va. Et après, on se retrouve avec des mauvais résultats. On dit, bon, parce qu'on a un mauvais résultat, qui il faut sanctionner C'est l'enseignant. Non Non, il faut faire un bilan. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de suivi pour savoir ce que nous avons fait là. Où est-ce que le bas blesse Comment est-ce qu'on peut remédier Et si on ne peut pas remédier, est-ce qu'on ne, va pas changer de méthode Voilà le, tout le problème. C'est, ça résume à la gouvernance, au fonctionnement du système, qui a fait que, déjà, et c'est pour ça que nous, nous, aux côtés des syndicats, nous avons toujours demandé de dépolitiser l'administration scolaire. Il faut dépolitiser. Aujourd'hui, tant que l'éducation est sous l'emprise d'une politisation à outrance, je vous assure, même si on va injecter le budget des États-Unis ici ou de la Chine, on ne peut pas sortir des sentiers battus parce qu'il faut nécessairement qu'on sache qui est imputable, qui est responsable de telle ou telle chose. Et s'il y a des, fautes, il faut savoir sanctionner. Mais malheureusement, il y a l'absence de sanctions. Il y a des gens, même quand vous portez les voix, ils vont vous dire allez-y voir qui vous voulez. Tant qu'on ne va pas accepter de faire notre propre autocritique et maintenant, surtout collective, pour dire, ah, il faut que les Nigériens se disent qu'il y a des endroits qu'on ne doit pas politiser. Et dans ces conditions-là, l'école doit être le premier élément sur lequel nous devrons tabler. Avant, pourquoi on était les meilleurs C'est justement parce que même les politiciens réservaient de la place à l'école. À l'époque, là, quand on partait même à l'extérieur, dès qu'on dit qu'un Nigérien, tu sens que c'est quelqu'un qui a quelque chose dans la tête qui est là. Même dans les rencontres internationales que nous faisons, des, les, rencontres syndicales ou bien associatives, Mais dès qu'on dit qu'il y a des Niger, mais il n'y a même pas match, comme on le dit. Il n'y a même pas match. Hein. On a remporté de grands succès. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça parce que la politisation est venue tout casser. Et nous devons faire très attention parce que si les hommes passent, le, le pays reste. Il reste. Et ce quels <coughs> sont vos conseils recommandations ou propositions de solutions rapidement pour sauver l'école nigérienne après le Covid-19 C'est vraiment. En une euh, minute, C'est de ne pas désespérer et d'impliquer tous les acteurs. Et je, ne vais pas me fatiguer de le répéter. Et c'est de mettre l'enseignant au centre de ce combat je dis combat. Il ne s'agit pas que du système éducatif. Il ne s'agit pas que de l'enseignement. Vous, voyez que l'enseignant, il y a les manuels scolaires. Non, j'ai dit, mettez l'enseignant au centre. Qui utilise les manuels scolaires C'est l'enseignant. Au fait, tout tourne autour, de, lui. Et les résultats tournent autour de l'enfant, et de l'élève, et de l'étudiant. L'enseignant est dans, un bon, dans de bonnes conditions, même s'il a des mauvais manuels. Et même sans manuel, quand il sait ce qu'il va, il va produire des résultats. C'est pourquoi j'ai dit, surtout pour le cas du Niger où on a enterré l'image sociale de l'enseignant, il faut la déterrer, la dépoussiérer, la, la, la, la sticoter, vraiment rendre à César, oui, effectivement, ce qui revient à César. Maintenant, pour ce qui est des programmes, l'après-Covid doit nous faire réfléchir sur ce que c'est que notre système éducatif. Maintenant, le plan d'urgence dont on a parlé, c'est maintenant, justement, qu'on a besoin d'un plan d'urgence, qui n'est pas le programme rénové, qui n'est pas, qui n'est pas, non, non. Parce que nous risquons de faire chevaucher deux à trois années si on ne fait pas attention. Alors il faudrait qu'on considère, pas sauver l'année et considérer que tout sera normal après. Mais l'impact de ce Covid de là ne s'arrêtera pas à cette année. Il faut que le gouvernement se dise qu'il faut qu'il qu'il atténue l'onde de choc et impacté par ce Covid-là, qui va aller au-delà de cette année, peut-être sur l'année prochaine et sur peut-être l'année sur prochaine qui va suivre. Alors, le plan d'urgence, pour, pour nous, doit consacrer non seulement l'année 2019-2020, mais jusqu'à l'année 2022 il faut la prévoir. Maintenant, si on arrive à tout dissiper d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire l'année 2020-2021, alors tant mieux. On n'aura pas perdu déjà ce qu'on a prévu pour l'année sur prochaine. Mais en fait, c'est une réflexion il faut se dire qu'il y a une onde de choc qui risque de, déranger d'ici trois ans le déroulement normal des activités académiques. Alors il faut prévoir un plan d'urgence pour ça. L'éducation constitue aujourd'hui l'un des moyens les plus sûrs pour doter un pays ou une société de ressources humaines de qualité pour son développement. C'est pourquoi le gouvernement nigérien est appelé à mieux s'investir pour sauver l'année académique 2019-2020. Euh, euh, et nous sommes au terme de ce forum euh, du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Issoufou Arzika, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger et et coordonnateur de la fédération unitaire du syndicat de l'éducation au Niger Fusen. Et Elhage Abdoumaman Lokoko, coordonnateur du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger. Nous avons également envoyé une correspondance au ministère des Enseignements secondaires pour ce forum, mais malheureusement, aucun représentant n'a pris part à ce forum. Merci à la technique côté son assuré par Amina Hassan et côté vidéo Adama Dawakin. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.